La situation épidémiologique par rapport à la méningite, la tendance actuelle dans notre région, elle est relativement calme parce que toute l'année, jusqu'à la date du 16 avril 2017, nous avons enregistré 30 cas, dont malheureusement 3 décès. Mais il faut dire de ces 3 décès, 2 de ces décès-là proviennent d'un district en épidémie, notamment le district de Kony, du Birnin Kony dans la région de Tawa. Donc, euh, il y a un qui est décédé au CSI de Gizawa vers Il y a un autre qui est décédé au niveau de l'hôpital national de Zender. Le troisième décès, lui, c'est un étudiant, réside au niveau des quartiers Charé-Zamna. Le 30 cas, les prélèvements qui ont été envoyés, nous avons le résultat de 8. Et les 8 résultats que nous avons, il y a 4 qui sont positifs. Il y a quatre dont on a dit qu'effectivement c'est le microbe qui est responsable des signes que ces malades-là ont présentés. Et ces deux types de microbes qu'on a trouvés au niveau des quatre là, ce qu'on appelle le streptocoque pneumonie, qui est le premier germe, et le second est le méningocoque C. Globalement, on peut dire que la situation est sous contrôle. Pour penser à une campagne, il faut que la zone en question soit en épidémie. Si vous n'êtes pas en épidémie, vous ne pouvez pas faire une campagne. Mais mieux encore, il faut que les gens comprennent que comment le vaccin même est produit. Quand il y a une épidémie quelconque, on fait les différents prélèvements, on va faire l'analyse et découvrir le germe responsable. Une fois que ce germe responsable a été déterminé, c'est à ce moment-là que toute la procédure pour la commande du vaccin relativement au germe identifié va être lancée. Parce que le vaccin n'est pas déjà produit déposé par les, laboratoires. Non, non, non, non. Les laboratoires pharmaceutiques n'ont pas de stock de vaccins contre la méningite. Pourquoi Parce qu'il y a plusieurs microbes. C'est pas comme le paludisme. C'est pas comme, par exemple, la tuberculose, où on le fait, ou la rougeole. Donc, même si l'État a de l'argent pour acheter le vaccin, il est obligé de suivre toute cette procédure-là et qui peut être très longue. Il y a des structures internationales, elles seules qui sont autorisées à valider la commande et qui autorisent la production de vaccins.